Euh, alors Sàmm Sa Kàddu am peut-être jàpp nañ que ni c'était une coalition euh, contre nature exactement D'ici à nous, exemple Bougane bi incarné anti système tey mu retrouvé wu avec le système euh, ñoom taxawu et étant de et tant tu exactement le système Sam Sa Kàddu bi dem di allié wu ak ñoom Amadou Macky Sall si yenn ay départements yi est-ce que da nga jàpp ni coalition bi base bi amoon na li nga xam que moo benn ko lu solide loo xam ni itam peut-être moo tax ñu ne sàmm sa cadre une coalition boo xam ne itam mën nañu ko daal di renommé. oui mais non seen aada ci départ bi. mais mm-hmm. aussi te Déthié Fall joué na aussi. et puis d'ailleurs booy xool Sonko fu muy dem Déthié Fall est à côté donc euh, mooy li ma la wax c'est-à-dire lan moo leen tax a jóg. Mm-hmm. l'objectif quoi le premier objectif c'était d'être ensemble contre Ousmane Sonko en quelque sorte lol moy njëkk nek sen premier erreur sen benen erreur ils ont été présents que sur 16 départements mais benen tu as parfaitement raison vous ne pouvez pas battre bougar mënul xeex ak Macky pendant 12 ans xey ñu ne dañuy intercoalition ak Macky et puis même la communication ne passe pas intercoalition les gens ne vont pas suivre et l'outil les gens ne voient, parce qu'il y a des incohérences même ñi wara and est-ce que and nañ mais ensuite euh, il y a une euh, période boo c'est favorable à Ousmane Sonko. Mm. donc personne ne pouvait faire face à Ousmane Sonko. Mm. c'est-à-dire comme le ma lay wax ñoom fait une liste, dajaloo def une liste cundung cundung bu ñu Sonko Sonko allait les battre c'est-à-dire toutes les listes réunies bu ñu dajaloo face à Ousmane Sonko Sonko gagne. c'était une évidence. c'était une évidence. <laughs> il n'y a pas à chercher. Est-ce que les Mounensi notent doit l'opposition concrètement Non, non, mais pour l'instant, l'opposition a doit Opposition si Balbi à la nek opposition hmm. pour l'instant mais regarde au vu des résultats électoraux euh, Sonko gagne département yep quoi quasiment lim ci baye bari hein. hmm. parce que sur 112 départ 40 y gagne 112 députés 112 ah. députés hmm. li nga département ci 101 nga comprenez euh, Sonko gagne ba gagne fatigue te fatigue Macky depuis 2002 mousko perd. pendant 20 ans Macky n'a pas perdu à Fatik. yi gagné na ko 2002 maire de Fatick quand il était avec le PDS il est maire euh, élection présidentielle 2007 législative 2007 élection locale mu génn PDS gagné ak Dekkal Ngor yeneen mm. élection yi si topp yëpp Macky daf ko gagné 2014 euh, 2017 hmm? 2019 mm. yooyu yëpp Macky da doon gagné Fatick mm. mais bii Sonko dafa arraché Fatick en ensuite dafa am ay axes stratégiques yaa a des départements clés yoo xam ne soo ko gagné moom mooy def la différence parce que l'élection bi maa ko fatali kéro man la sur 165 députés li ci majorité bi ngi sur les départements. Mm. mais quand mm. tu gagnes le département de Dakar avec à peu près 220 000 voix. Mm. département de Dakar tu prends les 7 députés. les 7 députés. légui tégal sta baram ci 7 députés. nga dem département de Pikine 5 députés gagnent. gagné nga ko. département de Dakar a en fa am 220 000 Si calculer le quotient électoral 220 000 c'est dañ la koy au niveau national donc rien que gagner le département de, Dakar d'une dix députés est-ce que vous comprenez le département de Mbaké, momo momo polarisé mm, mm. et bastion électorale mm. quand tu gagnes le département de Mbaké, tu avec cinq députés plus au niveau national on ko calculer députés député la lay c'est une razzia électorale et puis euh, son cas, sa base affective Jigachor, qui a quasiment gagné le sud maintenant il y a quelques zones de résistance parce que Podor Amadou Ba gagné mm. Matam Maxal Sall mm. gagné Canel, euh, etc. mais sinon euh, c'est une configuration pour ramener. tout était en faveur de de de de Pastef et même sur les postes de la diaspora département Yep la gagner, excepté ben moi Afrique centrale. Afrique centrale gagné par Amadou mais quand même parlons euh, justement si national est-ce que ça me Sa de s'est travaillé à l'intérieur du pays d'où une lancé une campagne qu'on focaliser ko si Dakar. oui mais non cest une c'est première erreur un euh, prof management daf ñu jungle ne il faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier xam sur 54 départements de miser sur les 16 quelques départements de la diaspora à quelques départements à l'intérieur du Sénégal. Ils ont expliqué, temps élection anticipée oh, pour ça même toi même tu le savais. après présidentielle tout le monde savait que assemblée dissoudre. Mm. parce que d'abord du point de vue constitutionnel la constitution dit que quand l'assemblée nationale a deux ans le président peut dissoudre l'assemblée tout le monde savait que assemblée bi dissoudre Fallou quand tu dois jouer le championnat est-ce que tu championnat de dois anticipé entraîner. anticiper. tout le monde n'est pas bon assemblée bi dañ koy tas que personne ne dise que pareil au monde ils ont tout misé à Dakar c'est vrai que Dakar est la bataille majeure parce que Dakar c'est quand tu gagnes Dakar, tu as 7 députés. Ils ont tout misé à Dakar. Mais regarde les résultats de Dakar. Bougar a été battu au bureau de vote, il me voter. Mm. Barthélémy, tête de liste nationale, a été battu à Dakar dans le bureau, il me donne voter. Hmm. Alors que nous avons misé pour un maillage territorial. Est-ce qu'on comprend C'est-à-dire, Sam ce a nous avons profil. Nous avons tous les Donc, pour moi, erreur stratégique, premier, d'avoir 16 listes sur les 54. Hmm. L'autre erreur stratégique, l'intercoalition n'a pas marché c'est pas parce que ça avait marché ci jamono bële ci le contexte que war marcher marché le contexte bi donc euh, pour man euh, pour l'instant opposition au Sonko moom mën naa alors exactement par rapport non xaaral wax gu ma euh, grand ah, sénégalais Dundu. Ah. faju ak <laughs> mais c'est vrai surtout fu mu toll nii amul ay opposition de parti politique mm-hmm. ah. et puis moom xam na ko sax parce que bu toogee ben ne xam bi. tel mm-hmm. ci loolu lay djublu man bu régler loolu kay no problème. Mm. ouais alors mi non exactement euh, par rapport ak li nga xamné que mu di les erreurs de Sam Sa Kaddu ñu jaar jaar yi itam si leneen. waaye eh, ba pare euh, bokk na ci erreur ñen ngeen le Barthélémy jaar muy fenal di raak rek. ok ñu da dessine des